Marie waaw xam nga man toi et moi yàgg na du tey. ngeen violé règlement intérieur loolu quoi ngeen nangu ko. sëñ Adama. Cheikh nuyu naa leen yéen dagguma la. président groupement bu jël parole dana oui wax na dëgg effectivement. boo règlement intérieur bi nekkul fa. écoutez Elmat. bu ñu taxawee ñu ne kaay leen ñu julli. dañuy àttewoo charia du ñu àttewoo sunna. dëgg it. n'est-ce bu fekkente ne dafa am jiw entre charia ak sunna luñ la digal yow ci jullit nga tënku ci charia bàyyi sunna au cas où sunna bi dafa réeroo ak charia je dis hypothèse quoi je ne dis pas que c'est le cas mhm. quand il y a un conflit mhm. entre lii ak lële tënkul ci lii mhm. yaa ngi dégg maa ngi dégg voilà maintenant il faut savoir sérier les choses premièrement je suis d'accord que quand on a supprimé le poste de premier ministre, hmm. et ça c'est la faute à Macky Sall, ni, ni Andon Macky Sall, c'est ah c'est faute là. Wow. je, je dis, hmm. c'est la faute à Macky Sall. Macky Sall 2019 day élection, il a promis le poste de premier ministre à tout le monde. Hmm. C'est ça la vérité maintenant nag xamatul kan lay jox kan lay bàyyi. mu ne effacer voilà ce qui s'est passé. donc lui pour régler un problème hmm. politicien il a touché à notre constitution. ñoom xam nañ ko. Hmm. tay ñu Macky Sall leur avait promis le poste de premier ministre. Hmm. il supprime le poste parce que expliquant que oui la croix de transmission hmm. entre le gouvernement le président ils avaient défendu ça parce que Waouh, dafa hier et tout oui, c'est vrai c'est ça la vérité hmm. maintenant c'est normal quand tu touches à la constitution et que ce qui touche au premier ministre tous les textes attenants hmm. attenants là, moi, le textes yu tu dois les toucher, y compris le règlement intérieur, et on l'avait fait. Nyom Marisol, c'est le mandature, on l'avait fait non non non par Madame touché pour enlever jeudi dis quand on a supprimé le poste de premier ministre maintenant nous sommes en 2021 on ramène le poste en fast track procédure d'urgence mm-hmm. en décembre vous voulez pas donc la logique aurait voulu tant que lui est pour dire ko tant que tant que lors, ça ne s'est pas fait parce que dañ ko commencé 2021, janvier ñu dugg ci élection ku nekk dem tali élection. Mhm. kenn defu ko ñu bàyyi ko mu mhm. élection janvier jàll ñu ne législature bi léegi mu est-ce que ça vaut la peine defuñu ko donc bu dee am na koo xam c'est leur faute premièrement c'est Macky Sall deuxièmement c'est législature bu ñu bokkoon à commencer par le président Moussa Fagnas. Mhm. parce que nous, waroon woote lu waroon tax ñu delloo ci règlement intérieur bi disposition yooyu troisièmement cette nouvelle législature qui mm. arrive en 2022 fait un texte il yi temps, un temps, tu saytuwaat seen règlement intérieur defuñu quoi deux ans après. deux ans après il y a un règlement intérieur baaxul yabaatu fan la le a il y a mm-hmm. pendant deux ans toutes les procédures que tu as prises tu les as prises sur la base du règlement intérêt que tu dis être faux. le règlement intérêt édité par l'exécutif. édité parce que d'ailleurs que bon les mm-hmm. règlement intérieur bon boo règlement intérieur fin il a il a écrit l'assemblée a adopté c'est ça le faux. j'ai dit que ici la vendredi passé mm-hmm. ça n'a jamais été adopté. merci beaucoup je faisais partie de la commission des lois de l'assemblée. ça n'a jamais été. adopté amul. jamais maintenant pendant deux ans. cette assemblée pendant deux ans <laughs> les gens les gens ont continué à fonctionner. Ils ont travaillé sur du faux. Ils ont travaillé. Mais, mhm. quand bien même, madame, pour... une parenthèse, moi je suis pas d'accord, Marie, pour qu'on mette dans le règlement intérieur un délai au Premier ministre. Moi je suis d'accord qu'on mette le délai dans la Constitution. Il faut amener le délai dans la Constitution. Absolument, c'est ça. Parce que le règlement intérieur gère le fonctionnement interne de l'Assemblée. Le règlement intérieur ne dit pas au Premier ministre qu'est-ce que tu dois faire. Mm-hmm. Pour moi, ce délai-là, il est normal aussi. Et le délai a une histoire. Mm-hmm. Il faut rappeler l'histoire elle D'abord, euh, Ben, bon, ah, avant de venir à l'histoire, le mot est Ben, donc règlement intérieur, Ben Koro Dougal, délai Ben Koro Dougal, c'est constitution. Mais maintenant, Taïgini, en l'absence d'un règlement intérieur conforme. La constitution, hein, au niveau de l'article 55, il y a 90 jours. Non, non, non, non c'est enlevé. C'est enlevé. lieu. On dit simplement le Premier ministre fait sa déclaration. Devant. Mais maintenant, le fait là, il est impératif aussi. Mm-hmm. En droit, on peut le concevoir comme, une injonction, mm-hmm. comme un ordre. Parce qu'on dit fait, on n'a pas dit va faire. Mm-hmm. On n'a pas dit doit faire, on a dit fait même si le délai est ça devient de l'immédiateté Dans mhm. donc ça également moi en l'absence d'une loi conforme du règlement intérieur la constitution suffit qu'on ne doit pas chercher aucune excuse pour ne pas aller à l'assemblée hmm. il a raison non il peut pas hmm. parce qu'il n'a pas en tant qu'exécutif exécutif à donner un ordre à, à au, législatif hmm. Il ne peut pas et il ne doit pas. Mhm. On est dans un système de séparation des pouvoirs. Tout à fait. Maintenant, que les députés se mettent aujourd'hui à mettre à jour le règlement intérieur, oui. Mais sans le règlement intérieur mis à jour, Ousmane Sonko d'Awaradem. Mhm. Il ne hmm. faudrait pas chercher à lier les deux. Beaucoup. Qui doit faire def li, qui doit faire def les. Bonne bouli amul lebu am le faut mhm. Et il faut éviter de dire ça. Ousmane Sonko Warnadem. Et malheureusement, le président de la République l'a conforté, comme dit Adama. Mhm. Oui, le jury populaire, ça aurait pu être de qualité. Mais même pour des courants qui m'ont assemblés, les Sénégalais, ils sont pas fait. Je suis désolé. Les mhm. Sénégalais, ils n'ont pas fait. Nous, sommes passés d'une assemblée nationale mhm. avec Lamine Kouragay, Léopold Sédar Senghor, Baba Babacar Mhm. déggal baax li ma la Abdoulaye Wade Cheikh Anta Diop. Mhm. Ousmane gom Abdourahim Agne. Mhm. ay l'assemblée avec Guy Marius et kouremaki c'est les Sénégalais qui ont voté. on avait des universitaires des euh, députés Iba Dercham mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on a des goulafiers à l'assemblée parce que sénégalais est leen tànn loo même si vous faites qu'un c'est le dernier des goulafiers sénégalais il a une légitimité donc faudrait pas nous dire que Mini, ils ne sont pas légitimes, l'Assemblée populaire aurait plus de, de, de disons, de, niveau. Mais non, non, non. Le président Warul affaiblir son institution. Mhm. Le président se doit de protéger nos institutions. Warul quoi affaiblir député ak ex-député ancien député dañu wara marche pour ça. Mais bien sûr. Mhm. pour revenir à l'histoire maintenant nag xam nga un droit aussi droit dafa neex. Xam nga droit de en l'absence d'une loi on regarde les usages. Mhm. En l'absence des usages, on regarde la jurisprudence. Mhm. Moi, -hmm. Euh, moom Amadou assemblée règlement intérieur bi l'usage est là On on peut pas nous dire n'y a pas une pratique mhm. mais Abdou Diouf Habib Thiam Maodo Lamine Mustafa Moustapha Niass dem deux projets le règlement intérieur bindu ko de jurisprudence Quand les lan moo fi vous Abdou Diouf en 1970 il a fait une DPG. Mhm. il n'y avait pas de règlement intérieur qui le disait. Mhm. Habib Thiam il une poste en 91. Défendre le DPG les trois mois viennent de Habib Thiam ça l'histoire mhm. Habib Thiam le ko le premier ministre ñu ne fait une DPG il a fait une DPG nommé a fait ma xam dossier fait une DPG. il la jurisprudence des trois mois. maintenant Moustapha Niass n'a pas fait sa DPG dans les délais.

affaire de gentleman lay doon da nga boy booy xam nga lan la affaire baa ngi ni kaay xol xool ko régler mu jeex tàkk mu jeex tàkk pas ay jaay guerrier C'est pas ay yuuxu C'est pas ay saga. mais tok wax la en gentleman man Marisol ni je peux témoigner ça belle. bu ma ko assemblée nationale avec des députés de Benno hmm. mais ils sont à tuer di tàppante mais bu taxé di défendre le camp dans lequel elle se euh, elle se réclame hmm. mais day mel ni ñii du ay xaritam parce que loolu moy politique savoir que boo waree défendre sa camp défendre ko. Mm, mm, mm. mais nag que les relations humaines que tu puisses les maintenir. Ablaye Wade bu mënee waxtaan ak Abdou Diouf pourquoi parce que entre Ablaye Wade ak Abdou Diouf y a un pont qui s'appelle Famara Ibrahima Sanya. tout à fait. nit ñi dañoo xamul loolu. Ablaye Wade dafa nekk prison Famara Ibrahima Sagna nekk négociateur diggante Abdou Diouf Ablaye Wad. Et Famara Sagna nekk ministre Abdou Diouf tey jii Cheikh Diba lu mu def diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko moom la Famara Sanya, defoon. loolu mooy politique. très bien il faut savoir ça donc. Mhm. bu loolu jàllee. Mhm. man monsieur Ndiaye dégg naa la nga ne un projet. <laughs> projet bàyyi tooñ bàyyi.